fada da fatan wannan shirin zai tarda ku lahiya duka inda kuke ce soir à la fada on va parler de cardio d'abdo de muscu bref dukan wani guje-guje da bare da hada raye da wani daukan karhe da 'yan mata suke yi cikin guraren motsa jiki plein de trucs qu'on voyait faire les hommes yanzu mata masu sa kansu har da gurin motsa jiki ta kan nasu gare su a nan birnin Yamai. Dans une société où il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la culture des rondeurs qui était la tendance. Yanzu 'yan mata gurin kiba suke da wani tumbi da wani duka wannan ba a so. To wannan sabon yayin daga ina ne hito. Mine ne ke kai wannan 'yan matan cikin wa'annan guraren na motsa jiki? La fada fait comprendre cette tendance fitness qui accroche de plus en plus de filles. Dans mon gérard wannan hira, bien sûr, nous avons installé la fada dans un gymnase à unguwar kalle Est. Kashi Club yau su suka gayyace mu mu zo mu yi wannan Asmana Hassan Aishatu. Elle est étudiante et elle cherche des abdos aussi ici. Ça va Asmana? Ça va? Aishatu, tu vas bien? Ça va. Yaya Alhamdulillah. kike ga daukan abdo Ah, c'est juste pour qui euh, n'a ne nake Ah ouais ni da kaina Allah ina so samu <laughs> ne ban yi ba to muna tare da kuma coach principal king le Gym Club Ibrahim Garba, ça va Oui, ça va. Ah, Ibrahim Garba, vous êtes également champion. Hein? oui, oui. Champion de... expliquer à nos auditeurs. Champion d'Afrique. <laughs> On sommes avec un champion. Un autre champion également. Il se nomme Abdul Karim Narwa. Il est commerçant. Ça va, Narwa Ça va. La yalo. Dadama. Ya yani. Ya harkokin. Ça va bien. Ya garin ke zo ganin mu ko? Na zo ganin ku na ganin ku. <laughs> Akwai zuwa dai. Eh zuwa akwai ta. <laughs> Bon, kamar ka sani cikin wannan fada nous aurons la musique, la chronique de la fada et on va accueillir Mr. Oli qui nous vient avec la chronique. Oli, ça va Ouais, ça va mon grand de toi. Aujourd'hui, Hirami Zakamona. Ok, super. Ce soir, nous allons parler bah, de la violence faite aux femmes qui est passée au cinéma. C'est-à-dire que on va parler d'un film. En gros, la chronique de ce soir est un coup de cœur cinématographique. Je comprends. On va faire la lumière sur euh, les ondes sombres. Voilà. Merci, Ravi. Ça marche. À tout de suite, Olivier. Mais bien sûr, la rubrique qui sera l'affaire de Dandy. Ça, c'est Dandy qui s'en charge on remontait un peu le temps, il y a de cela 10 ans, je dirais, chez les filles, c'était les rondeurs qu'on cherchait. Kai de comprimé ma akesha. Oh, c'est super appétit, la foussi, <laughs> De aki yanzu Et dans les grandes villes comme Niamey, yanzu ba maza kadai bane suke daukan karhe ko su tai wajen motsa jikin su dan su dan su ji en forme kawai mata ma yanzu nyama abdo ake ringa yi les avis diffèrent sur la pratique du sport chez les filles écoutons les avis des filles oh, j'ai un peu maigri mais pas je ne sais vraiment pas comment j'ai fait mais j'ai pris du poids monsieur comme ça je suis grosse maintenant je veux tellement maigrir j'ai fait le gym en plus de deux mois, ça n'a rien servi des exercices pendant 30 jours. j'ai un peu maigri. Je ne sais vraiment pas comment j'ai fait, mais j'ai pris du poids, monsieur, comme ça. Je suis grosse. Maintenant, je veux tellement maigrir. J'ai fait le gym plus de deux mois, ça n'a rien servi des exercices pendant 30 jours. Bon, j'ai un peu maigri, mais pas comme je veux. C'est juste un tout petit peu, j'ai juste un j'ai perdu un tout petit peu de poids, Alors, euh, moi, je pense que l'haltérophilie, le fait de prendre l'haltère, c'est même pas un sport euh, approprié pour la femme. En tout cas, moi, je ne pratiquerai pas ce sport. Non seulement c'est difficile à faire, ça demande beaucoup d'efforts et, ça, ça défigure ton corps, ça défigure le corps de la femme. Je préfère garder mes rondeurs et la souplesse et toute ma finesse. En tout cas, je, je, je, je m'adonnerai pas à, ce sport-là. C'est tout. Yanzu Aïchatou, qu'est-ce que tu tare da mu? Qu'est-ce que tu en penses? To ina so in kwatanta ma 'yan mata da waɗanda suke nan ga azaba haka nan bane. O just salle de gym ma akwai akwai kotan maza akwai kotan mata. Ba duka abin da maza ke iya pratike ne ake ce mata su yi pratike. Okay. Eh. yanda basu gane ba su sun aza kamar yadda maza ke ɗauka karhe ne matan ma suke iya ɗauka karhe ba haka nan bane mm. akwai waɗansu abubuwan da bai kamata ka yi su ba kuma in ka zo ma kwacce na kwatanta maka da wanga ba partikin ka bane eh. kenan abun da ya kamata shine yake muna kenan wannan karahunan ma akwai na maza akwai na mata akwai na maza akwai na mata <laughs> ok d'accord da dai normal mun kiba ne ake yema Kuma sa se fait yanzu ana yema abdo da miskile tout quoi a da to 'yan mata ba su gane ba waɗansu suna son kiba sun aza kamar in sun yi kiba shine ke gwadin da kamar su mata ne kwa wa'yan suna shan magani wa'yan suna ɗaukar super apeti a lor ke san da illa ne yake musu cikin jiki yanzu kuma mudukin ya canza kowa yana so ya sa <laughs> tuwahin wanda ke sexy shi kuma tuwahin wanda ke sashi sexy ba ka sa tumbinka na wani kote <laughs> komi na wani kote da kici <laughs> coach wani indawo gare ku yanzu tout le monde peut venir euh, et puis oh il y a des gens qui peuvent pas exercer ici non non et cet sport là c'est chacun qui doit faire ça parce que par exemple euh, il y a les gens qui qui se réveillent mais ils peuvent pas se lever c'est manque de sport ouais ouais et il y a beaucoup tu vois au Niger maintenant on trouve beaucoup de gens qui ont euh, sont en train de trouver tension là. Oui. Tout ça, tension. manque d'espoir. Ouais, ouais, des petites Donc, maladies chacun des grandes. qui doit faire ça. Ok. Il y a les gens qui disent que moi ici vieux, je ne peux pas faire non. Chacun qui doit faire sport. Ouais. Oui, chacun doit faire sport. Abdul Karim, ça va? Ku muscu, head muscu quoi. ina gane kuka sa 'yan e mata cikin wanga nyema abdominal da menene eh muka <laughs> ya uh-huh. idan mace tana sport kwa ke gane in jikinta ya kame don jikin mace ya yi tsatsa ke da kanki da an mace za ta birge ki kina ma jin daɗi yalla kamar a ce abu ke kice balantana shi namiji a ce budurwar shi ce kwa wannan yayin tumbi kuma wannan zancen da ne kwa idan ba mace tana gidan mijinta ba ne tumbi yanzu mata ba su son tumbi ma yamma kin yi da son jikin ki ya zama dan tsiriri gaban ki ita daban ya ita daban <laughs> ko ina cip cip kwa komi daban daban komi daban daban ne mace yanzu ta kaso tadda dan shi yanzu suka bar shan lafusi da wani kini can daban kwa sofu yanzu wadda ta gane ce za ta zo sal de gym idan tana sport kullum za ta ga jikinta kullum yana tsagewa ne kwa aisha tun dawo gare ki su me explique a quel moment ne aka bar yayin kiba da muka fara kallon su 'yan mata da muka fara kallon 'yan mata cikin clip american ne muna ganin su ko 'yan mata novelas ne ko an tuka da akel mu ne aka sanya man kiba parce que da vraiment kiba ne ake yi ma yanzu dai mata sun yi sensibilizan kansu ne sun yi sensibilizan kansu tun da wa'yansu magani ciwo ne kana iya kai jiki mai kullum baka da lahiya kullum kana cikin rashin lahiya eh, kenan kai ma ka san da abin ga jikin nan wani illa ne kuma kenan dole ne ka yi nemo ka rage don ma don proper santekinka yan mana kuma kana ganin yan mata ga sunan kai ma wata rana sai su birge ka mai in ka ga wa'yansu kana tambayan kan kuma kai da an mace ma kana musu dariya kin ga wannan kun yana iya mata yanzu su yi shanje da abi eh mana kuma ba kamar da da kowa na son jiki yanzu kowa ya gane da jiki zahin tsuha ma ne mutum yake kowa yana so yanzu ya samu dan tayakin shi fin <laughs> taifin <laughs> Monsieur Suleiman ou coach Suleiman Coach Suleiman. Oui. <laughs> ben voilà, coach Suleiman. Ben, c'est coach Hercule. Coach Hercule ici. <laughs> Hercule Hercule, voilà. Ah, je vous dis, il y a tellement de machines, tellement de muscles que moi-même, je vais prendre ah ben quelques muscles avant de quitter là. en fait, le fitness, ça va plus aux femmes qu'aux hommes, en réalité. Parce qu'en fait, euh, ça le permet de, encore euh, de rester jeune et ah de, de, garder la ligne. Tout ça, là. Voilà. Pour <laughs> tout affiner. <laughs> c'est vrai. En fait, en fait, ça a son avantage aussi de tous côtés quand même. Ça a son avantage. Ok. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant de se lancer Ou tout le monde peut se lancer Non, tout le monde peut se lancer. Tout le monde peut se lancer, bien sûr. Sauf quand même ceux qui sont... Quand même, euh, sauf quand on a un, euh, une opération... ou un truc qui vous permet de ne pas pouvoir euh, accéder. Voilà, genre l'épilepsie. Et quand tu es ah épileptique, là, c'est compliqué. Mais quand même, tu, as droit aussi au sport. Mais c'est compliqué. Donc, euh, il y a aussi une manière, il y a un suivi aussi euh, que, que l'on peut te donner et des exercices aussi limités. Mais voilà, du gymnase KHT, nous continuons la FADA avec euh, nos invités. Mais avant de poursuivre cette émission, on va aller faire un tour du côté de Dandy et de sa rubrique. On va voir de l'artiste artiste ne hira cette fois-ci menene zai zo de shi Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous, un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. Okay, Lora, aboga kat kat kan si kam tare kat kat kan si gondare lamba ta jiga kan si wantare karabere karagada fenolo si antare aibe usu sangare not for mi nei si katare kani sen si goida satare hey ai ai ma ile ai bonka ichi game si yega ka kangai na sauti ganjo ka wai ni si na banda fosi ka ni si no banda i ka mc adin si hinu boka to so bai ka donu akul kulja ala meja ina so soldier, Yandi soldier. Dondi, Gorbadiko, Hyman, Bakariano. Yeah. Ah! Vous le savez déjà, depuis un certain temps, nous sommes des loups contre le Covid-19. Vous vous rappelez certainement de l'artiste Ayman, on l'a reçu une fois sur cette rubrique. On avait parlé d'une chanson qu'ils ont composée ensemble avec les artistes nigérians. Alors aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé, puisque le virus continue toujours à circuler. Ayman, on te souhaite la bienvenue sur l'artiste s'exprime Covid-19. Merci, merci beaucoup. Et bel et bien, les choses continuent toujours. Il ne faut pas que les gens se disent que le confinement est déjà là, on a déjà déconfiné. Que voilà, les écoles sont déjà ouvertes. Il ne euh, faut pas que les gens se disent que c'est fini. Euh, le virus, il est là, il continue d'être là. Mhm. rien qu'hier, ou je ne sais pas, avant-hier, il y a eu déjà des cas qui ont été encore enregistrés, de nouveaux cas. Donc dites-vous que le Covid est toujours là. Donc euh, ce n'est pas le moment, il ne faut toujours pas baisser la Et on sait aussi qu'il y a beaucoup de jeunes ont baissé aujourd'hui la garde. Entre autres, nous avons cité dans la chanson que vous avez euh, composée avec les autres artistes qu'il ne faut pas que Borma Sambou, Goulez, euh, Goulezga, Armahan Vers, tout ça là. Mais aujourd'hui, d'une jeune Gounemisa, les gars, Sanga, Akulupano, Yekange, Wonter, Zenera. Alors, que c'est que moi, les gars, de ces jeunes qui kiffent cette émission Alors, je parle. En tout cas, <laughs> Arma, Vers, ça nous Yeah doro agono Il <laughs> irma dirbo irma me han yeah irhim ga goydirbo coronavirus doro uh. a basin da boro ku da duni na gindi a gindi a suka kawo da ne amma ok tout simplement voilà alors à chaque fois, euh, sur cette rubrique, on finit avec un message. Yeah. Alors, je voudrais qu'on parle des messages, un message de, du confinement. Ok, d'accord Parce qu'on sait que vous organisez des concerts. Yeah. Ok, alors, c'est quoi le nouveau feeling Parce euh, que la, distanciation, il faut toujours respecter les barrières. La nouvelle thématique est simple. On peut faire des concerts mhm. à distance. Mhm. On peut faire des concerts dans les salles vides. On peut faire des concerts où vous êtes devant votre petit écran, je sais pas, devant votre téléphone et que vous nous recevez d'où que vous soyez. Uh-huh. vous, si vous remarquez dernièrement, par exemple, avec les temps pleins, la finale a été euh, faite dans cette optique-là. Oui, sans public, sans public. Que les artistes, euh, les animateurs, euh, que les acteurs. Que les acteurs. Et, chacun son et micro. Diffusé sur les réseaux sociaux. Et chacun son micro. Chacun son micro. voilà. Donc déjà, à partir de cet instant, on s'est dit que bon, les artistes, ils respectent euh, les gestes barrières, la distanciation sociale et tout ce qui va avec. Ça se voit déjà. Ok, se super. Déjà. Alors, tu sais, on va parler un tout petit peu des sons qui cartonnent. Alors, je parle de l'artiste Ayman pour mhm. permettre à tous qui kiffent Ayman à travers nos 45 radios partenaires de kiffer un peu l'album. parce que, en fait, nous sommes jeunes et nous sur la musique. Alors, j'aime un son, en tout cas qui fait feu, qui fait par les meufs, les nanas, parce que sur cette émission, elles sont toutes des reines. Oui, j'ai besoin de toi. Ma vie n'est rien sans toi. Aïe, m'en a besoin de toi. T'es ma reine, je suis ton roi. Dans tes yeux, je me noie. Bébé, viens, je suis fou de toi. Si je suis roi, c'est ta marraine. C'est ta marraine. Ouais, je parle de vous, ouais, ouais. Toi qui kiffe cette émission, ben t'es marraine. Alors, en dehors de marraine, on sait que tu as chanté aussi quelque part euh, dans tes yeux. Alors, j'aime bien cette chanson, en fait, pour faire plaisir à tous qui kiffent cette émission, à toutes les âmes sensibles connectées. Alors, je parle sur cette émission. J'étais promis de t'aimer, comment vais je vais tout donner. Je vais jamais te laisser tomber, jusqu'au du roux mon œuvre va sonner. Rassure-toi ma bien-aimée, mon cœur tu l'as emprisonné. Alors on va finir cette émission bien évidemment avec petit frère parce qu'il nous faut conscientiser, on doit s'adresser au petit frère. Et le petit frère pour lui dire que le Covid-19 ou la Covid-19 est une réalité. Alors petit frère. Petit frère ma cité Hankaïgate. Tere a Petit frère ni maman. Ni maman ni mate. ne masu ce hankali ga ce zai da lalai kan niri ne masu ce abin tunai masu haira abin tunai aigin no cimi zinab kan sin da tangare mana kwai ne ne masu boyi lalo dandane aytaale qonnidhi aymaaree masiti dhaadame niseego harsani zaynab kaladan sankome zamagoy yama baagora yaamo yamani buyambise sede haawi mabondumni wana hayraase si bani matabi. masigana jaralale hakayne suba kayne gano gendere guni sintubu masite sere, din furo sanjira babo sindede anyanda baba hinno bale kayanga moyga kayindede akanu adoru igo irvane akanu adoru c'était le seul qui était là pour la réalisation de l'autre côté on l'appelle Mister Taf pour la réalisation de cette revue Covid-19 l'artiste s'exprime on vous donne donc rendez-vous dans un instant sur l'émission Tout ça la fada eh, c'était Hayman c'était la machine Respectons les gestes de barrière on connaît agit Hey. Retour à la fin de Cette tendance fitness chez les filles, c'est vraiment un effet de mode. Coco, c'est une remise en forme. Nyamalahi ne aka zo ko nyaman kyau ne ake zuwa cikin gymnase shine yau muke nan muna hira tare da wa'annan da ƴan matan da coach kin da samarin da suke nan tare da wu Nous sommes avec euh, Asman Hassan Aishatou, elle est étudiante, elle est également elle cherche également des abdos ici.

ko an kana yin shi vala eh espoir dai babu wani kai hatara da wani cin abinci tunda par exemple ni haka je mange six fois de la journée eh. to cinga oh. kuma banda tumbi Ah ouais Je mange tout, tout ce qu'il <laughs> faut. Si je mangeais six fois de la journée, je donc, pas euh, je ressemblais. Donc euh, l'essentiel c'est de <laughs> travailler. Ah ouais. Voilà. Ina jin ki Aisha tu. Ok, to kamar yadda dai kwace ya explique yanzu akwai abubuwan da kake iya evite. akwai abubuwan da kake iya evite mm. kamar yanzu ka ci sukar da yawa ka ci abun mm. da ke da kamar gres ko oh, wani abun da ke da tonka ko abubuwan da ke da sukar da gishiri da wani aromkin da muke konsumi mm. to in kana isporikin le fait que kana yin zuha ciwo ne ke hita eh. ah kuma le fait que kana pratiquer sport yana raba ka da ciwo da yawa kamar ni nan da nake zamne da kamar ina da asmi ne da ke damuna ban kwana daddare gani nan in yi tari nan gobe in koma wanga likita banda gobe in juya in ce wanga ya iya in ce wanga bai iya a lorke ba haka nan bane yanzu da na zo na yi ta bincike na ga mine ne zan yi tun da yanzu magani ma ina tsoro ya mini illa yanzu na zo wajen kwace mini explique mr ya ce mini in na zo ma akwai abubuwan da yake iya hana ni asinkin nan kwata-kwata ya ida wow je me suis engagé kuma alhamdulillah yanzu ina kwana ina tashi normal ne ah hmm. dukan ko kwana kake ji wai Allah ba kwana nake ji <laughs> me wa gazo da kake ma c'est bon non ça veut dire que c'est bon aussi ouais c'est bon don saboda ni de kaina ina jin quoi. c'est bien ça to yanzu en tant que sarmayi zancen ka da zaka gani na karshe da zaka gama kamar yan mata ko kuma mata wanda suke ezite su zo sal da sport me zaka ce musu to wallahi ina ba su goyon baya da su zo ka su sa kamar shakkun suna ga zakkuwa cikin mazaje ne ko wani abu hakan nan kamar idan ki zo sal a kowar maza da ba a kowar mata da ka a ce kina ga zakkuwa sal kina ga ɓaci ke da an mace ina ke ina zuwa wajen cikin maza to idan kin zo sal ma mace daban namiji daban ne ba cikin juna ba ake ko mi kike so da kiran namiji ba ku taya tare naki daban namiji na namiji daban ne abin da ake muku hmm. eh. don ka dinga kasa a amar yayin tumbi ba na son mai tumbi ce bai son tumbi ba son tumbi ne <laughs> eh. to eh, in kun ya jiki ya tsira inda akwai masu son abdulkarim shi da ya ce bai son tumbi kenan su kama jikin su tun yanzu su kama jikin su gaskiya mais <laughs> voilà coach Eh, tambayar mu da zamu yi kan mu yi lansan musikin mu est akwai wani conseil da za ku ba mutanen da suke ezite kamar matan da suke ezite su zo sal su zo su sport ko ma su ce su gudu ma ko gudun ga wannan wasu su ce zan yi yau a ban iya yi bon eh, duk waɗannan rashin sani ne kuma akwai ma waɗanda sun ka nema su hora yalla ba su samu coaching na kwarai tunda for example wanda zai hora bai kamata ya yi aiki da yawa ba to akwai wasu in za su fara aiki suka yi da yawa kenan gobe in ka je gida in ka kwanta ba kama iya tashi da kyau sai ka shi ko ina na ciwo kenan sai ki ga ashe ba haraka ba ne to normal ma ya kamata ki zo sal in kin ka zo sal ma eh, akwai coach wani sal akwai coach coach shi yana nan ne saboda ku in kin zo sal in kin ka zo kin ka ce coach na zo ina son a yi min aiki mai kyau zai binki ya kula da ke ya ki abin da ya kamata ki yi da abin da ya hana ki abin da bai kamata ki ba tunda eh, mata akwai ayyukan da ya kamata su yi akwai ayyukan da bai dace ba su yi kenan yanzu an ce kautan daukan karhe akwai puwakin da mu ba mu iya dauka ko ba kowane kuke samu kuce mutum dauka ba ba kowane ah, ba kowane in kin zo dai farko dai normalma bai kamata ki force ba to duk wadannan coach ya sani kaka ya kamata ki ko da ma kin ka zo sal shi coach ba shi zai zo ya tambaye ya tambaye ki kina son a yi miki aiki fa no no ke da kin ka zo ke za ki ta ke za ga abin da kike so a miki ba abin da kike so wai wai kuma akwai waɗanda ba su san ma abin da ya kawo su ba toi qu'est-ce que tu vas dire à tes copines qui hésitent encore à se lancer dans Tony ma da kenan ga dai auparavant je hésité tun da na zo aka ce mini in ta yi wajen coach in yi explication situation kina ya samo mini solution ina bayan gudro na mishi magana tun da na ji tsoro in shi ya zo ya iske ni ya min explique abubuwan da ya kamata ya ce min bayan da nake nan ga sammani ba ne ina iya pratikin sport kamar cikin jurne ma in ma kullum ne nake zauwa akwai abubuwan da yake mini kuma ba in ɗauki tan da yawa ba kenan tan cikin tan kaɗan ne zan ɗauka ya gwada mini wa'insu abubuwa in tai kenan in ma wata ta ji tsoro ban kamata da shi tun da nima na yi shi in eh, nima da kenan na ji tsoro <laughs> na wasa amma abin da nake ba su dai konsaikin da nake ba su vraiment le sport abu ne da ke da ke amelioran santanka vraiment Eh, eh, vous avez des conseils à donner à ces jeunes femmes qui hésitent ou qui se sont lancées Qu'est-ce que vous eh leur conseillerez En fait, euh, c'est le moment. C'est le moment de s'y mettre. En fait, il n'y a pas meilleure, euh, meilleure euh, chose pour entretenir sa santé, en dehors de sa ligne, sa santé et puis vraiment son bien-être en général, que le sport. C'est le moment de s'y mettre. Et si vraiment elles veulent euh, garder leur mari. Euh, <laughs> justement, notre petite question. C'est le moment. Hein. Quand elles viennent, quand elles viennent, elles viennent sérieusement faire du sport Il y en a qui viennent sérieusement. C'est pour euh, faire du sport, perdre du poids, et même pas perdre du poids, raffermer sa ligne. Parce qu'en ah fait, il y a des ah, exercices que tu peux aussi faire en salle pour essayer d'arranger un côté, genre aussi, voilà, raffermer sa ligne, quoi.

soyayyen mawara bada I love you baby sarauniya baby I love you baby soyayyen mawara bada na samu diya kyakkyawa duba yarinya san kowa ke na baywa amana amanar zuciyata Mama used to tell me, when you find a good girl, don't you ever let it go. No, no ki ganta wanna show her to the world tell everyone of our love our love is here to stay this love will never I love you baby da inda muke da muna hira bisa kan tandon skin da 'yan mata suka dauka yanzu na zuwa neman abdo da zuwa neman taifin Taïfine des Antilles. la FADA s'est installée à KHT Gym Club, Club, avec son coach et eh, Monsieur Muscle, Abdul Karim, euh, Taïfine, Aïchatou, <laughs> le coach Ibrahim. muke nan muna hira don mu gane menene ke kawo 'yan mata nan ga kuma in suka zo nan ga menene suke yi abin da ya kamata su yi abin da bai kamata su yi ba to yanzu muna so mu san coach risk kin da suke iya kore kamar komi da ake ci an an yi exe ya an um, problem ba a son komi a yi shi da yawa ko komi akwai lahanin da yake iya kawo to shi wannan activity kin in mata suna yin shi akwai lahanin da yake iya kawo musu bon eh akwai lahanin da yake kawo musu tunda in mutum ba ke aiki da maganar kwacce ba kenan za a samu matsala kuma akwai takalmuwa da serviette da abin gagan okay. tunda mutane ne, mutane ne suke zuwa da dama wurin ga akwai wasu yalla suna da wani cuta kenan in kina da serviette in naki kenan sa va sécuriser mhm, mhm. takalmuwan ma mm. takalmuwan ma saboda wani kawo wani karhe ya hada miki Merci à vous de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci à tout le monde parce qu'on a coupé la musique alors que la musique c'est hyper important ici. Donc pour les besoins de l'émission, merci pour tous ces éclaircissements. et euh, je crois que moi-même euh, j'ai perdu quelques kilos juste ah oui. <laughs> ici quoi avec vous. Ben voilà comme da wannan shirin namu ko kare shi zan mu kirawo ya shirya muna da ya sarrafa muna olive ya kake kana lahiya lahiya lo to olive ga mi ka zo muna da shi <laughs> muna jin ka euh, ce soir ravi comme annoncé en sommaire nous allons parler d'un coup de cœur cinématographique on va parler d'un film et le film s'appelle SEMA. S-E-M-A. Si vous avez Internet, allez-y sur YouTube et téléchargez. C'est un très bon film que je vous recommande. Il est sorti le 19 juin 2020 et raconte les violences faites aux femmes en RDC, République démocratique du Congo, un des pays africains les plus riches en minerais. Dans une production de 22 minutes, la réalisatrice au nom de Ma chérie Ekwa Barango raconte la tragédie vécue par les femmes d'une partie de son pays. Le casting a été de la pure originalité parce que 90% des acteurs étaient des survivantes des violences faites aux femmes, c'est-à-dire des femmes victimes de violences. Olivier, tu l'as regardé ce film, donc au cœur sensible s'abstenir, c'est ça ou... Ah bah au cœur sensible s'abstenir. C'est Mais un bon film à regarder en tout cas pour prendre conscience. Un film qui a été bien évidemment réalisé dans un environnement précaire avec des moyens de bord dans lequel l'atrocité de la violence faite aux femmes est mise en lumière. À travers cette réalisation, on comprend mieux le triste sort de la femme. La femme, elle, la seule qui accouche de son propre bourreau. Si le vrai héros de ce film, ce sont ces femmes qui ont réussi à briser le tabou sur le viol, il est important de rappeler que la production a été assurée par la fondation de Monsieur Denis Mukwege, congolais et bien évidemment prix Nobel de la paix 2019. Mais ben, Olivier, on pourrait se demander, autant de violence au Niger, ça se sent ou c'est pas oui, à ce Oui, Rabi, on pourrait se dire pas à cette, échelle, pas à ce level sans doute, même pas dans cette ampleur-là. Mais alors, la question qui pourrait suivre est celle-ci. Pourquoi, pourquoi donc les organisations de lutte contre les violences faites aux femmes militent au Niger Eh bien, quand la case du voisin brûle, il faut vite l'éteindre, car on ne sait jamais la direction que les flammes pourront prendre. Le film moi » est toujours disponible sur YouTube. Je vous quitte avec cet extrait qui nous dit mon enfant fruit du viol. Je ne te dis pas tout cela pour que tu ailles te venger, mais je te dis tout cela pour que tu prennes conscience de ce qui se passe dans ton pays. D'ici là, portez-vous bien. Les femmes, en tout cas, sont nos mères, sont nos sœurs, et allons de les protéger. Bye bye, d'ici là, portez-vous bien. Mon enfant fruit du viol n'est pas peur d'être appelé comme ça, car c'est ton histoire et qu'elle est connue partout dans le monde. Les grands décideurs ferment encore les yeux, mais toi, tu les ouvriras bien grands

Merci Olivier pour euh, cette chronique. Donc on se dit bye bye. Demain, vous allez rencontrer Dondi, Il va parler avec les gars, les monsieur muscles, le bodybuilding. On en saura plus avec lui. Il va nous en dire, ils vont nous en dire plus sur sur ça demain. wannan kuna iya a